alaikum, monsieur le ministre Alingou monsieur le ministre de l'Intérieur, son excellence sama papa sama Kharit, mon Waly Balago Seck sa un bon anniversaire longue vie prospérité santé beaucoup de bonheur je vous souhaite la totale Yalla yalla, ak ak yalla, fekkee ko ci barke Seydina Mohamed loolu nu dayum son excellence jërëjëf